Thank you.

Vous êtes élève, étudiant ou professionnel Vous voulez une bourse de formation professionnelle pour étudier dans les grandes écoles et universités privées du Sénégal et au Maroc C'est possible avec le Comité d'orientation éducative du Sénégal, COE, numéro 1 des cabinets d'orientation, qui est une structure éducative qui œuvre dans le cadre de l'orientation et de l'accompagnement des jeunes. Nous existons depuis 2012 et nous avons orienté des milliers de jeunes dans les écoles de formation du Sénégal et à l'étranger. Vous voulez connaître les concours et examens, les épreuves des concours, des sujets et corrections, les offres de bourse, les études à l'étranger, les meilleures écoles de formation professionnelle, les métiers et diplômes Veuillez vous abonner gratuitement sur la plateforme www.coesénégal.com Si vous cherchez n'importe quelle information qui parle de l'éducation au Sénégal, concours, examens, recrutement, baccalauréat, orientation, université, campus N, les concours douanes, de l'ENA, de la police, de la gendarmerie, des eaux et forêts, du Crème, de l'ENOA, de l'ENSOA, du prétalie militaire ou toute autre formation supérieure, le numéro 1 des plateformes éducatives du Sénégal, c'est la seule solution www.educationsn.com. Vous cherchez une offre d'emploi ou de stage Vous voulez postuler aux différentes entreprises qui recrutent au Sénégal Vous cherchez une candidature spontanée Abonnez-vous gratuitement sur la première plateforme des offres d'emploi et de stage au Sénégal, www.offreemploi.com. Toutes les offres d'emploi sont disponibles dans cette plateforme. Vous voulez étudier au Sénégal ou à l'étranger et vous recherchez une bourse d'études Nous vous invitons à vous abonner sur la plateforme des offres de bourse, www offre-bourse.com Nous avons aussi d'autres plateformes qui vous assurent les infos éducatives au Sénégal. www.samacampus.com ou www.étudiant.sn. Notre adresse à Dakar, en face de la foire de Dakar, le 616 téléphone 33 827 06 56 77 733 50 83 78 477 57 34. Notre email gmail.com ou bien visiter notre site internet www.cosénégal.com. Nous sommes également présents dans tous les réseaux sociaux. taxoon ma ñëw di seeti fii saf nga naan ma dangay dem sama kër seeti saf. yow looy wax nii doon ma saf nekkul sa kër de. saf nekkul sama kër mu sama village comme que nee nga dangaa dof rek kay jàppee ko noonu dina waax. Nafi man maa ngi bëgg jaaxle de saf kat dama koo gisul fenn. damaa xam ne démb ba tey maa ngi koy woomee dama ko jotul loo tax ma ne xaaral ma ñëw ma seet ko fii ndax nekku fii soo ñaa xamal léegi la la ñuy def. wóol kinne baa nga woo wax la sax fan la nekk tamit. ngi sama legaan yi looy woowee fajar gi. saf moo réer. <laughs> ah damaa xam ne kat saf moo réer Sénégal loolu koo ko wax loolu dox rek nga koy wax mu gëm ko. baat bi Cheikh Tour dëgg la astafurlaa Thierno Sama Sarr. léegi foo nekk nii. maa na fi ñoo nekk nii xam naa dañuy dem këram buñ ko fekkul nag ñu wari ko waa baax na. sawaay lan la mbaa jàmm waaw ko mu ngi def nii gan ah ba buul bi ma gàll moo ma ma ceene rek jàpp ma Yeah, man. No, man. Sit down. Sit down, man. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit waaye sax moo disparaître. lan di boobu léegi ñu koy def. mais fii li nga wax garaaw na de. booy da ngay génne émotion rek dara mën yàqu sàcc. booy bu waatee ma tooñ man ay objet laay sàcc mais pas nit en plus sama ñaar ñi commencé jàpp benn trois jours ci tey sàccu ma. yow jom yow jom dëgg-dëgg waaw. di vous avez engagé une guerre très difficile à gagner nous sommes le pouvoir et nous possédons armée instruction et capitaux désolé mais la guerre que vous avez entreprise est au-dessus de vos forces lee pas. Eh, yow xam nga ama lu may layam layamee ak yow xam nga bu baax li ma lay wax. xam nga lan la yéen seen waxi ñàkk fare yi ñu fee ñëw ah te du gis ngeen ça fait trois jours ni sax ñëw ci kër gi jéem leen def benn investigation te mu doon seen dëkkandoo. loolu bokk suñu dossier de bac. ok cool gars yi heureusement ba Okocha xam na fu mu nekk. yee yee. xoolal man du ma wax ak benn mandikat. nank rek fiis doo wax ak man ndax xam nga ni xew dëgg gi ngeen bëgg a dégg. waaw saf deux dëxa ak wan cuuj bii ñoo ko kiil. kiil waaw lan mooy kiil. loolu maamu Fousa dama la koy jox si kàllaamay kocc saf ñii ñoo ko rey suul ko ci digg kër gi bu ma kenn laaj preuve nag.

thank you